avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette euh, édition d'information en ce dimanche euh, en ce dimanche 7 euh, février 2021 et toutes euh, nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Cela dit, cérémonie de lancement officiel de la campagne présidentielle, second tour du candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Bazoum Mohamed, candidat aussi de la mouvance pour la renaissance du Niger. C'était ce matin en présence des milliers de militants et sympathisants du Parti Rose et Parti Allié. Alou Mansani, Ibrahim Kantama. Cette grande cérémonie de lancement des campagnes pour le second tour de l'élection présidentielle du président et candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Bazou Mohamed a vu la présence des milliers et des milliers de militants et sympathisants et les partisans soutenant les candidats du PNDS Sous le slogan « avancer et consolider », ces derniers ont tous opté pour la continuité et la stabilité des institutions de la République. Pour le porte-parole de la coalition Bazoum 2021, tous les partis accompagnant la candidature du président Bazoum disent pour une victoire éclatante. Le 21 novembre 2020, en créant la coalition Bazoum 2021, des partis politiques innombrables, nous avons cru aux qualités d'un homme intègre, honnête, profondément humain et doté d'un sens élevé de l'État. Cet homme est Bazoum, Bazoum Mohamed. Il est ici présent. L'histoire nous a donné raison d'avoir cru en lui, puisque les résultats du premier tour le classent en tête parmi 30 candidats. Alhamdulillah, Dieu merci. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes les militantes et tous les militants, ainsi que les sympathisants et sympathisantes, au-delà tous les Nigériens, pour ce résultat. Aussi, nous nous félicitons aujourd'hui que suite à l'appel du 4 janvier 2021, lancé par la coalition Bazoum 2021, demandant à tous les membres de la mouvance présidentielle et tous les Nigériens de se joindre à elle pour le second tour, c'est le lieu de vous remercier et de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue pour avoir répondu à notre appel. Prenant la parole, le président Seynou Oumarou au nom des candidats ici des élections présidentielles du 27 décembre, soutenant la candidature du président et candidat du PNDS Taria. Celui-ci se réjouit de cette forte mobilisation en vue de réserver une victoire au candidat du Parti Rose. La présente cérémonie de lancement de la campagne du second tour de l'élection présidentielle marque de façon solennelle notre engagement résolu d'accompagner M. Bazou Mohamed pour le porter, Inch'Allah, à la présidence de la République du Niger. Dans le contexte actuel, de grands périls sécuritaires pour notre cher pays, notre choix a été guidé fondamentalement par l'impérieux souci de préserver la stabilité des institutions, la quiétude sociale, la cohésion et l'unité nationale, indispensables pour assurer une paix et un développement durable pour notre pays. De ce fait, nous engageons chacune et chacun de nos militants, des sympathisantes et sympathisants de tous les partis et regroupements politiques à s'impliquer résolument et avec enthousiasme dans la présente campagne électorale que nous souhaitons apaiser. Le président et candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Bazou Mohamed, est revenu sur les enjeux de ses scrutins du 21 février afin d'appeler les militants et sympathisants et les partis alliés à la mobilisation. Vous devinez par conséquent les sentiments de gratitude qui sont les miens à votre égard, chers amis leaders, de m'avoir fait ce grand honneur de me soutenir en vue de me porter à la tête de notre pays. Vous me témoignez ainsi la plus grande déconfiance qu'on puisse faire à une personne. Ma reconnaissance vous sera éternelle, quelle que soit l'issue de cette élection. Et je prie Dieu, le Tout-Puissant, de ne jamais altérer ma mémoire à cet égard. Mais dans l'immédiat, chers camarades, chers amis, nous devons nous organiser pour gagner cette élection. A priori, nous avons un rapport de force très favorable. En effet, avec une majorité de 129 députés sur les 166 que comptera la future Assemblée nationale et des partis nombreux dont un certain nombre d'envergures nationales, nous sommes légitimement fondés à croire que l'élection ne sera qu'une simple formalité. Mais, en vérité, un tel état d'esprit serait totalement erroné. Nous aurions en effet tort de croire que tout est joué à l'avance et qu'il nous suffira d'attendre tranquillement la date du 21 février pour cueillir le pouvoir comme on cueillerait un fruit mûr. Cette élection, comme toutes les autres élections, sera difficile et commande que nous soyons mobilisés, bien organisés, intelligents, vigilants et très engagés. Nos adversaires, conscients du rapport de force qui leur est totalement favorable sont, quant à eux, déjà prêts. J'en appelle par conséquent à tous nos militants et à toutes nos militantes pour qu'ils fassent preuve d'énergie dans ce combat forcément rude et qu'ils créent les conditions d'une grande cohérence dans leurs actions respectives. Ils sont plus de 90 partis politiques soutenant la candidature du président Bazoum Mohamed. En effet, les responsables et le gros sponsor de ces partis politiques se disent très engagés et déterminés pour la continuité, pour la renaissance encore du Niger. Vous suivrez également l'intervention du président du PNA Alouma, Sanusi Tambari Jakou, en partie magazine de cette édition. L'intervention dans, la, intervention dans laquelle il est largement revenu sur le parcours et les qualités intrinsèques du, du candidat du Parti Rose, Bazouma, Mohamed. Rendez-vous donc en fin d'édition. La jeunesse euh, pour euh, Bazoum 2021 euh, a organisé un géant meeting au palais du 29 juillet hier. L'objectif est d'apporter leur soutien à la candidature du président et candidat du PNDS Taria, Alouma Mansani Ibrahim Kantama. Cette démonstration de force de la coalition des jeunes pour Bazoum 2021 prouve l'engagement de la jeunesse pour accompagner la candidature du président et candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taria. Ils étaient tous présents, hommes, femmes, à répondre à l'invitation de ces jeunes engagés pour Bazoum El Barham, en présence des responsables du Parti Rose de la région de Niamey. marga maga turkusu haurano kaga to garan garne o ay go ga lahi yaran ga ai go ga sabaran sai mo ai go ga kuluja vraiment aran nai la aran nai bina kanan da ai go ga farha wodin banda ai go ga irwani yau bere kan irdu ai go ga kubaini ai go ga fon kayan kangati irwani dir koy nir chaba 2021 president ko premier irwo fitir premier damo dir koy nir chaba inshallah gangti madam bazum ay go ga barkan da kayan ay go gi ron federation nya mai jin bora kanti ila ya ay go ga barka alaji ila mai ay go gi fond kayan ay go ga sabu nga ning delegation o kulse irwane dirwane jene jin bora gangati suleiman ay go ga fond kayan donc ay si ku kan de aranse irgonde jamaade jamaayen kanka lalle lokacin o manirno déclaration oɗo mais irgugo cara wore kan fatta parti kisin kasara ika ikagidi irse pnds tarayya irgogi kubaini imu barkan da kayan imu ika iro pnds tarayya wakan irtubu iro wani borega kan pnds no borkara nindi bora kan waran waranza aran fo o kan aran biskere hay fallanno arangi biskere goy o kul kan bisingi cala goy go ngi chala jine yadi ngadi ko ba ge bay kan gor kul kan gono pnds igutundi himma gedi ganga nan afo kulu macabe am kan ninga gaksina dingu wone Cette initiative permet de rassembler tous les jeunes engagés, militants et sympathisants autour de la candidature du président Bazoum Mohamed et appeler ces derniers à la mobilisation pour consolider et avancer. Vous êtes là, vous avez constaté, la jeunesse était au rendez-vous. Les femmes, les jeunes, tout le monde était là pour cette fête pour vraiment une rentrée, comme on appelle une rentrée en campagne de la, du groupe euh, Jeunesse Soutien Bazou. Donc euh, je vais profiter au nom de mes deux coordinateurs et au nom du groupe Jeunesse Soutien Bazoum pour les féliciter, pour les remercier de vraiment cette mobilisation exceptionnelle. Et le message que nous allons adresser à la jeunesse, c'est que la jeunesse se réveille pour prendre conscience, pour prendre en main les choses. Parce que la jeunesse est le fer de lance de notre pays, de toute société d'ailleurs. Donc, euh, et voyant le programme, voyant les membres de la direction de campagne du président Bazoum, nous savons, nous sommes conscients que l'avenir du Niger et que 2021 se fera avec la jeunesse ou ne se fera pas. Cette démonstration de force des jeunes pour Bazoum et la NM du était d'autre part une occasion pour les responsables d'échanger afin de réserver la victoire aux candidats du Parti Rose pour un Niger encore renaissant. En cette euh, période électorale, la jeunesse joue un rôle prépondérant dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, Alio Oumarou, la participation de cette dernière dans tous les processus est encore importante. Quand vous vous référez aux fichiers biométriques, vous constaterez aisément plus de 53% des personnes enregistrées étaient des jeunes. Donc naturellement, vous allez constater un engouement très fort lors euh, des élections passées, les élections de décembre. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pendant plus de trois ans, euh, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous nous sommes fortement mobilisés pour sensibiliser la jeunesse à s'intéresser à la vie politique. Parce que de tout temps, les jeunes se plaignent de, mauvaise gouvernance, de manque d'emploi et de tous ces maux qui minent la jeunesse. Or, pour changer véritablement les conditions de vie et de travail de la jeunesse, il va falloir que cette jeunesse s'intéresse à la vie politique. Ce qui fut fait, puisque dans l'histoire du Niger, jamais nous n'avons enregistré autant de jeunes au niveau des élections locales, législatives et présidentielles. Et je pense que cet engouement va amener un véritable changement dans la gouvernance de notre pays. Le deuxième tour des élections présidentielles prévues pour le 21 février prochain se fasse aussi dans un climat apaisé, mais aussi qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes, qu'ils partent en tout cas élire dans le calme, dans la tranquillité, en tout cas le candidat euh, qu'ils estiment fera de ce pays un pays où il fera bon vivre, un pays où les jeunes auront suffisamment d'emplois, un pays dans lequel la question de la sécurité sera une priorité, mais aussi un pays dans lequel il sera bon à investir, mais surtout à, investir pour les jeunes qui, qui comptent euh, entreprendre. Donc nous souhaiterons que euh, ce pays, les jeunes ont compris, qui nous appartiennent tous et qu'il n'est pas question qu'un jeune se retrouve, par exemple, en prison pour avoir euh, voté correctement, mais aussi qu'on fasse en sorte que euh, cette alternance démocratique qui s'est dessinée puisse se perpétuer encore, encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, le Niger est cité un exemple de démocratie. Il faudrait que la jeunesse en tire profit, que la jeunesse en fasse une priorité dans leur action quotidienne pour que le Niger demeure un pays où il fait bon vivre, un pays développé. Parce que la question de voie de développement, je pense qu'il est révolu. Il faut que le Niger soit véritablement cité dans les pays développés dans les prochaines décennies. La suite de cette euh, rétrospective euh, de la semaine, le Front patriotique euh, a rendu public au cours de cette semaine au siège du, MPN Chichinkasa de Niamey une déclaration de soutien à la candidature du président et candidat du RDR Tangi, El Haj Mahaman Ousmane au second tour de la présidentielle. C'était en présence des leaders de la CAP 21. La teneur de la déclaration avec euh, Amadou Issoufou Seydou, membre du Front patriotique. Le Front patriotique, à travers l'un de ses membres, à l'occurrence le MPN Kishinkasa, a justement introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander le rétablissement de la probité et l'intégrité des résultats du vote des citoyens nigériens. Mais hélas, la Cour a passé outre en début de nombreuses pièces à conviction versées dans le dossier et a proclamé les résultats tels que reçus de la CENI confortant ainsi l'appréhension des Nigériens et des acteurs politiques sur sa neutralité et son indépendance. Le Front patriotique félicite toutefois le peuple nigérien dont la maturité politique, le courage, la détermination et la prise de conscience lui ont permis d'exercer sa souveraineté et de faire échec à l'illusion funeste du pouvoir et de son candidat de réaliser son coup KO, c'est-à-dire de passer dès le premier tour. Le Front patriotique n'a eu de cesse de dénoncer, et ce depuis trois ans, la confiscation programmée du choix libre des Nigériens à travers un code électoral non consensuel, un fichier biométrique contesté et une CENI aux ordres. Tout comme il a dénoncé les mauvais choix politiques et économiques, la corruption à outrance, la politisation de l'administration, l'insécurité dans les villes comme dans les campagnes, l'effondrement des services sociaux de base, l'impunité, les atteintes graves à la démocratie et aux libertés publiques, etc. Le Front patriotique prend donc acte des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et conformément à son engagement avec l'ensemble des partis membres de la CAP 2021, annonce allèlement sa décision de soutenir le, le candidat Mohamed Ousmane, arrivé deuxième à l'élection présidentielle premier tour. Allons à présent à la découverte euh, du sport roi dans le milieu étudiant. En effet, dans le cadre de leur activité du tournoi dit des martyrs, les étudiants de l'université Moumouni de Niamey organisent des combats de lutte traditionnelle. Ceci pour, disent-ils, raffermir davantage les liens de solidarité entre eux. Reportage Haïs Adam. C'est en prélude à la célébration de la date anniversaire du mouvement historique du 9 février 1990 et dans le cadre de leur semaine de l'étudiant que ceux de la faculté des sciences juridiques et politiques organisent ce tournoi dit des martyrs. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce tournoi parmi lesquels des combats de lutte traditionnelle. C'est dans le cadre effectivement de l'organisation du tournoi des martyrs. Il cadre parfaitement euh, pour les événements historiques survenus le 9 février 1990. L'objectif euh, escompté, c'est d'abord le brassage culturel et la cohésion sociale et pour passer par cette cohésion sociale, euh, nous avions jugé nécessaire de mettre euh, la lutte traditionnelle dans nos activités. Et vous êtes inanime euh, que la lutte traditionnelle est notre sport roi et c'est à travers ça que nous parvenons à véhiculer beaucoup de messages. Et à part la lutte, il y a les tournois du foot, il y a aussi des compétitions au, niveau du volleyball et handball. nécessairement, l'engouement que la lutte traditionnelle génère euh, n'est pas comparable. Nous avions effectivement un début de satisfaction parce que tous les participants ont fait montre euh, d'un esprit d'équipe, de fair play et de solidarité. Et c'est déjà l'objectif principal même que nous voulions euh, instaurer et véhiculer. Et tous les participants sont là, ils étaient motivés et voilà, faire euh, valoir euh, leurs valeurs, surtout cet esprit de fair play. C'est cela que nous voudrions véhiculer. Et avec l'ouverture hier, l'engouement était de mise et tout le monde était là on était très contents, satisfaits jusqu'ici. Aussi, des matchs de football et plusieurs autres activités favorisant le brassage culturel entre les étudiants sont prévus dans le cadre de ce tournoi dit des martyrs. Place euh, à présent la partie magazine de cette euh, édition consacrée à l'intervention du président du PNA, Alouma Sanoussi Tambarjakou, à la cérémonie de lancement de la campagne présidentielle du candidat du PNDES euh, Taria Bazoum Mohamed. Et juste après son intervention, vous suivrez également la revue de la presse hebdomadaire avec Ralia Sami. Très bonne réception, bon début de nous voici, dans cette grande salle, de ce grand bâtiment construit par la détermination et la volonté du président Mohamed Issoufou. Nous voici donc, Dieu nous a amenés aujourd'hui dans ce grand bâtiment en vue de lancer la campagne de notre candidat pour le deuxième tour des élections présidentielles. Eh bien, c'est un grand motif de satisfaction pour nous tous que nous nous retrouvions ici pour lancer à quelques jours du scrutin du 21 février la campagne de notre candidat. Ce n'est pas nous qui avons voulu de cela. Oui, nous voulons de cela. Mais c'est Dieu qui a voulu de cela. Et non pas nous. Il faut que nous sachions que ce que Dieu décide, personne ne peut l'annuler. Il faut que nous nous rappelions que chacun d'entre nous, depuis le ventre de sa mère, 40 jours après sa conception, depuis ce temps-là, Dieu lui a soufflé dans les oreilles son destin. Et dans le cadre de ce destin, tout ce qu'il allait devenir, si depuis le 40e jour de sa conception dans le ventre de sa mère, Dieu a soufflé à Bazoum qu'il doit devenir le président de la République du Niger, qu'il doit devenir le président de la République du Niger, qui d'autre peut l'en empêcher Qui peut contrarier une décision de Dieu Personne. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord avec euh, cette décision de Dieu, qu'ils se ravisent, qu'ils prennent patience, car eux-mêmes, ils vivent parce que Dieu a décidé ainsi, parce que Dieu a décidé à ce que nous vivions tous. Dieu nous l'a dit dans le Coran. Si Dieu a voulu à ce que tu sois quelque chose, personne d'autre ne peut t'empêcher de l'être. Eh bien, si Dieu a voulu à ce que Bazoum soit le président de la République du Niger, ceux qui vont s'opposer à cette décision de Dieu, ce n'est pas avec Bazoum qui lutte, ce n'est pas contre Bazoum qui lutte, mais c'est contre Dieu lui-même qu'il le sache. Bazoum, ça fait 31 ans que nous suivons nos parcours les uns des autres. Ça fait 31 ans depuis 1990 que nous suivons ton parcours au sein du PNDS Taréa. Eh bien, dans ce parcours, il y a là le facteur de ton succès. Car imaginez-vous que pendant 31 ans, de 1990 à 2021, personne n'a vu et personne n'a entendu Bazoum se quereller avec euh, le président Issoufou, son camarade, le leader de son parti. À un certain moment donné, nous étions opposés à toi, à Issoufou et à votre parti et nous avons espéré à ce que vous vous querelliez, à ce que vous vous bagarrez. Mais peine perdue, nous n'avons jamais obtenu cela. Tu es resté constant, tu es resté constant, loyal, fidèle et respectueux de ton camarade Mahamadou Issoufou. C'est là le plus grand facteur de ton succès. Je me rappelle encore qu'en 1994, lorsqu'il y a eu une crise au sein de l'AFC, certains d'entre nous avaient voulu à ce que vous vous bagarriez et nous t'avons même proposé d'être Premier ministre à la place de Youssoufou que nous voulons chasser du pouvoir. Eh bien, nous avons perdu notre temps parce que nous avons eu affaire à quelqu'un de fidèle, à quelqu'un qui était respectueux de ses engagements vis-à-vis de son camarade. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour vous mêler, et et toi. Nous avons tout fait pour vous séparer. Mais peine perdue. Sana hanya ka sa hanya ka bishe mu mun bi daji da kai da isufu kun zamna kamar lolo secha sha ake wannan abu par la suite tu fus ministre dans le gouvernement provisoire du colonel devenu Jal Baré Ménessa et lui-même au moment où il avait envisagé de se présenter à l'élection présidentielle de 1996. Lui-même avait tenté de te débaucher pour que tu deviennes membre de son gouvernement contre le président Issoufou. Mais peine perdue. Ta loyauté vis-à-vis de ton parti, ton amitié vis-à-vis de ton camarade Issoufou ne t'ont pas permis de trébucher et de suivre Barré pour laisser Issoufou. Tu as démissionné du gouvernement de Barré et tu as suivi le président Issoufou, tu as battu campagne pour lui. Gloire à toi, Bazoum. Ce ne sont pas beaucoup de gens qui sont capables d'agir comme tu l'as fait là. Depuis ce temps-là, nous avons eu peur de toi et de tes agissements. Et nous avons dit que celui-là, quel que soit ce que nous aurons fait, nous ne pouvons pas le séparer de Et tu es resté avec lui. Et voilà, l'histoire a suivi son cours jusqu'à ce que le président Issoufou, président du PNDS Tarea, soit élu président de la République. Là encore, tu es resté à ce côté en tant que brillant second de son parti. Le brillant second du parti tu es devenu le premier brillant du parti. Eh bien, là encore, malgré toutes les tentatives qui avaient été faites par des gens de droite, de gauche, des gens qui tenaient coûte que coûte à récupérer le pouvoir en vous divisant, c'était peine perdue, ils n'ont pas pu le faire. Eh bien, félicitations Bazoum, Aujourd'hui, tu es en train de récolter les fruits de ta détermination, les fruits de ta loyauté. Nous ne pouvons rien. Bazoum, félicitations. Regarde, Bazoum, en 1990, nous avions tous des partis politiques. Il y avait le grand parti, l'ancien parti État, qu'on appelle le Baobab, que nous combattions tous ensemble. C'était dans le cadre vraiment d'une adversité féroce. Aujourd'hui, le leader de ce parti-là est ami et camarade et allié à toi. Il est là, M. Sen Omar. Félicitons-le. Félicitons tous les autres. Félicitons tous les autres qui étaient dans d'autres partis politiques. Et avec votre détermination, tous ces partis politiques qui étaient là en train de chercher à conquérir le pouvoir, tous ces partis politiques aujourd'hui, eh bien, ils se sont agrégés dans une seule alliance, la mouvance ou la coalition Bazoum, et ils sont en train de lutter pour que tu sois au pouvoir, et c'est par la grâce de Dieu. Et Inch'Allah tu seras au pouvoir à partir du 21 février prochain. Alors, je vais finir, en disant ceci. Tout à l'heure, Salah a dit. Quand Dieu lui-même, il se bat pour quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un n'a pas besoin de se battre lui-même, puisque Dieu est là pour faire le combat pour lui. Le combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour Bazoum, ce n'est pas nous-mêmes qui avions voulu de ce combat ou qui avons décidé de le faire, oui, nous voulons faire ce combat. Mais c'est parce que Dieu a décidé que nous le ferions. Et nous sommes en train de le faire. c'est Dieu qui veut de toi comme chef de l'État. Donc nous ne pouvons rien. Absolument rien. Ceux qui sont contre toi ne pourront rien. Ceux qui sont avec toi ne pourront rien. C'est Dieu lui-même qui en a décidé ainsi. Eh bien, soit président de la République Bazoum, soit chef de l'État militaire Bazoum, soit notre guide Bazoum, et fait en sorte que nous ne regrettions pas Mohamed Issoufou. Soit en fait que nous ne regrettions pas ce mandat, ces deux mandats du président Issoufou, les deux mandats au cours duquel il a déclenché le processus de la construction et de la modernisation du Niger. Construis, toi aussi, et modernise le Niger. Que ceux-là qui pensent que faire du bien pour le Niger, c'est distribuer des galettes ou des bonbons à, des paysans ou des chèvres, que cela se ravise Construire le Niger, c'est construire des infrastructures industrielles, artisanales, commerciales et de services afin que le Niger soit lui aussi une nation émergente, une nation en voie de développement, une nation qui pourra se classer dans quelques années parmi les premières de cette planète. Consolider. Consolider et avancer. Ah, nous sommes là avec toi, de nuit comme de jour. Et nous sommes là jusqu'à ce que tu deviennes président de la République du Alliance électorale pour le second tour, un complot politique contre le Niger et son peuple, écrit en gros à Saïd, le journal Le Courrier. Les détournements massifs des deniers publics ont atteint leur paroxysme lorsque les Nigériens ont découvert par le ministre de la Défense nationale actuel Issouf Katambe, que même les fonds destinés à l'armement des forces armées nigériennes ont été dilapidés par des procédures d'une rare inhumanité. Dans certains cas, a révélé le rapport d'audit, ce sont des armées et des munitions défectueuses qui ont été commandées et mises à la disposition de l'armée. Nous apprenons toujours le confrère pour qui c'est un acte de sabotage qui, sous certains cieux, conduit au poteau. Ce sont des milliers de soldats qui sont tombés sous les balles terroristes et c'est bien justifié si l'opinion nationale considère que le bilan macabre est en partie la conséquence de ces crimes perpétrés de concert par des hommes d'affaires bien connus et des milliardaires au gradé. Que dire du trafic de drogue devenu endémique au point où Niamey est devenu une sorte de hub des narcotrafiquants. En 2018, le journal écrit que ce sont plusieurs tonnes de résine de cannabis qui ont été saisies dans le démantèlement d'un entrepôt à Niamey 2000, des tonnes de drogue aussitôt incinérées sous la direction de Bazoum Mohamed, alors ministre de l'Intérieur, sans qu'on ait montré aux Nigériens un seul individu compromis dans ce trafic. Sur la base de ces faits, presque personne ne donnait la moindre chance à Bazoum dans les négociations envisagée à l'endroit du MNST ne et du MPR à Jamhouria. La raison, se demande le journal. Ces actes posés rendaient pratiquement impossible toute entente électorale d'avec Bazoum Mohamed. Mais c'était sans compter que la morale a depuis longtemps déserté les cœurs et les cours de nombreux leaders et partis politiques, écrit toujours le confrère. Pour se donner bonne conscience et justifier des actes inqualifiables qui jurent avec la morale, ils expliquent que la politique n'est pas la religion. Autrement, pour eux, la politique admet la duplicité, y compris vis à -vis de son pays et de son peuple. Alors, des alliances sont l'heure des déchirements dans les partis politiques. Nous apprend pour sa part dans ce titre le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui rapporte que depuis la validation des résultats, les Nigériens sont dans l'expectative, attendant que les partis se prononcent pour un candidat ou pour un autre. Si l'on peut douter, selon nos confrères, de certains leaders quant à la position qu'ils pourraient prendre dans une situation aussi cruciale pour le pays et pour son avenir, il reste que l'on reste confiant qu'à ce que les Nigériens encore dignes de leur nigérianité pour choisir dans le jeu du 21 février prochain. Mais alors que l'on attend que les grands partis se prononcent dans le déchirement des petites alliances faites sur fond de calcul mesquin, au sortir des élections du premier tour, l'on ne peut entendre que des décisions de certains partis satellites qui choisissent leur camp, non sans soulever un tollé quelquefois. Le MNSD Nassara et le MPR Jamhouria, que tous attendent, traînant les pieds en ne sait pour quelle appréhension, peut-être redoutant que la décision qu'ils ont l'intention de prendre provoque des foudres au sein de leur base affiche toujours un profil bas. Ou bien faut-il encore croire que les deux jouent à un jeu de cache-cache pour savoir où ira un autre pour que par rapport à un tel choix il se positionne, s'interroge toujours le confrère pour qui l'affaire est trop grave pour rester dans de tels calculs. Et les Nigériens peuvent apprécier le courage politique du parti du général Salou qui n'est pas resté dans cette tergiversation pour choisir son camp, celui du Niger. Et l'homme du Niger qui, seul peut rassurer les Nigériens, l'autre ne venant que pour des intérêts inavoués et pour assurer à un autre ses arrières dans la conscience de ce qu'il aura mal géré en dix années de gouvernance chaotique et sectaire. Et les partis se déchirent, raconte plus loin le journal. Le parti Farila d'Alma Oumarou, le parti de Parazé, l'ANDP ou plutôt de Dandizé, ont choisi d'aller là où l'argent abonde, nous apprend toujours le confrère. Il n'a pas fallu attendre longtemps quand des militants déçus crient leur désapprobation et annoncent leur choix pour l'autre candidat El Haja Ousmane. Ils ne parlent pas pour le Niger. L'argument de la stabilité brandi n'est que du faux fuyant, écrit toujours le confrère. De quelle stabilité peuvent-ils parler quand chaque semaine que Dieu fait, les, terroristes nous cernent, occupent du terrain au point où aujourd'hui tous les départements de Tilaberi sont affectés, ce la question, s'interroge le journal. Second tour de la présidentielle, Mohamed Ousmane peut-il gagner se demande pour sa part l'enquêteur. Malgré les déséquilibres apparents des forces entre Bazou Mohamed et Mohamed Ousmane, il est hasardé de prédire le camp de la victoire au sortir du scrutin du 21 février prochain, écrit le journal. Les deux finalistes partent à chance égale pour l'ultime round de l'élection présidentielle. Un argument de campagne. Le débat sur la nationalité nigérienne d'origine de Bazou Mohamed est loin d'être clos, écrit toujours le confrère pour qui c'est un volcan assoupi que les opposants risquent de réveiller en pleine campagne du second tour. La justice nigérienne a rendu des décisions qui ont à tort ou à raison davantage jeté le doute sur l'éligibilité de Bazou Mohamed, a affirmé le général Salou Jibo. Il faut le dire, l'arrêt numéro 10 bar CC bar ME du 8 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle a complètement brisé la ligne de défense du dauphin du président de la République. Ces deux document qu'ils ont présenté n'est pas mon certificat de nationalité. Moi, mon certificat comporte le numéro 99 bar SD section de DIFA. Le leur comporte le numéro 140 bar SD. C'est défendu Bazoum Mohamed relativement aux allégations sur l'inauthenticité de son certificat de nationalité. Le journal écrit plus loin que ce serait du charlatanisme que de situer le camp de la victoire avant le vote final du 21 février 2021. Il ne faut surtout pas, selon le confrère, se fier aux énormes avantages, notamment financiers, du PNDS Tareya pour anticiper le sacre de son candidat. C'est dans une parfaite égalité de chance que Bazoum Mohamed et Maman Ousmane vont se lancer dans la dernière étape de la conquête du fauteuil suprême. S'il s'agit d'élections libres, transparentes, inclusives, honnêtes, sans trucage, M. Bazoum n'a absolument aucune chance de gagner a dit selon le confrère Mohamed Ousmane. Seulement, l'opposition a-t-elle tiré les leçons a-t-elle tiré les leçons du premier tour afin de sécuriser efficacement les votes du second tour C'est toute la question selon le journal. Quant au journal Niger Inter Abdo, il rapporte que c'est un que de dire que les esprits sont taraudés en ce moment par les négociations des prochaines alliances politiques dans le cadre du second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Mais pour tout observateur averti, ces conventions ne sauraient faire abstraction de la réalité, notamment du contexte et des dynamiques politiques du moment. Pour ceux qui s'intéressent au jeu d'alliance au Niger, l'on retient que les vraies alliances, le ticket gagnant est toujours des terminé par le second tour. À l'épreuve des faits, les leaders politiques, ceux qui décident et engagent les partis politiques, ont tendance à mettre en avant les intérêts politiques de leur formation politique. Et c'est justement au second tour de la présidentielle que les états-majors des partis politiques jugent de quel côté se penchent les intérêts du pays et ceux des partis politiques en question. C'est dire, selon le confrère, que certains bruits savamment distillés par certains vendeurs illusions ou marginaux au sein des partis politiques n'ont aucun une emprise sur les décisions politiques qui incombent en dernière analyse à ceux qui financent et gèrent véritablement les partis politiques. Le manifeste des illuminés qui circule sur les réseaux sociaux n'est qu'un tissu de lamentation et de litanie de certains intellectuels qui ont perdu, selon le confrère, le sens de la réalité politique. Et c'est sous le titre Second tour de l'élection présidentielle, le choix de la stabilité depuis des jours, les Nigériens attendaient avec hâte de voir la tendance des alliances des partis politiques pour le second tour des présidentielles. Rapporte dans sa parution le nouveau républicain. Un peu partout, notamment dans les services, les marchés, les écoles et même dans la rue, les débats se sont accentués autour de ces alliances, écrit toujours le confrère. En effet, selon le constat qui se dégage, tout le monde a pris part au débat politique. Ce, parce que la situation l'oblige, car la majeure partie de la population a aspire au changement. Lequel des changements Le changement radical. Celui-là même qui, selon le journal, sera à même de mettre les Nigériens à l'abri de toutes ces souffrances qu'ils n'ont jamais connues et vécues, si ce n'est au cours de cette décennie. Insécurité, corruption, injustice et trafic d'armes et de drogue sont entre autres les mots qui assaillent le peuple nigérien face à toutes ces amertumes. Nombreux sont les Nigériens qui, espèrent, qui espéraient voir le changement, notamment la chute de ce régime à travers la prise de conscience de certains politiciens qui pourraient seraient désormais avertis pour ne tomber une seconde fois dans la gueule du loup. Juste après la déclaration des résultats du premier tour donnant lieu à un second tour, les agitations commencèrent quant aux alliances qui auraient lieu aujourd'hui. Après les déclarations faites par le MSD et le MPR Jamhouria dans lesquelles ces partis confirment leur soutien à Bazou Mohamed, celle-ci semble selon le journal être terminée. À propos toujours de cette alliance pour l'élection présidentielle deuxième tour, le journal L'Indépendant rapporte dans ses titres que Bazoum Mohamed a ratissé large. L'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 30 janvier 2021 a ouvert la voie au jeu d'alliance pour l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février prochain. De dimanche 31 janvier, les formations politiques ont commencé à porter leur choix entre les deux candidats déclarés éligibles au second tour, à savoir M. Bazoum Mohamed arrivé en tête avec 39,30% et maman Ousmane occupant la deuxième place avec 16,98%. Le choix s'impose entre les deux personnalités dont le premier incarne la continuité de la consolidation des acquis et le second qui est le symbole du changement selon ses partisans. C'est désormais c'est des leaders politiques que tout divise jusqu'à leur programme de société que les Nigériens sont appelés à départager le 21 février 2021 dans le cadre de leur lutte pour la conquête du fauteuil présidentiel, chacun d'eux souhaite ratisser l'argent au niveau des candidats recalés pour le second tour et leur formation politique ainsi que le groupement des partis politiques. Du côté du candidat dit du changement, le journal écrit qu'il a enregistré le soutien des partis politiques dont le Modern Falumana, qui l'a soutenu d'ailleurs dès le premier tour. L'UDFP Sawaba, le Front de Rassemblement pour le Changement FRC, constitué de quelques partis politiques de moindre envergure, l'Alliance des candidats pour le changement ACC et bientôt le MPN Kishinkasa. Alors, le journal estime que la moisson a été maigre pour le candidat Mohamed Ousmane, qui pourtant espérait avoir le soutien de taille. Au niveau du candidat de la continuité de la consolidation des acquis, le journal écrit que c'était une riée pour les les partis politiques, bénéficiant de le premier tour d'une soixantaine de candidats. Bazoum Mohamed a ratissé large la moisson la plus significative est l'arrivée du MNSD Nassara avec ses amis de l'APR au nombre de 10 et le MPR Jamhouria et ses 37 alliés qui ont décidé de soutenir le candidat Bazoum Mohamed. Plusieurs raisons ont poussé ces deux formations politiques appelées aujourd'hui les faiseurs de roi à rejoindre le camp de la mouvance présidentielle, écrit toujours le confrères qu'ils n'ont d'ailleurs jamais quitté depuis le lancement de la campagne électorale pour les élections générales de l'année 2020-2021. Puis à la une de la roue de l'histoire, perspective de deuxième tour de l'élection présidentielle, large convergence autour de Bazoum Mohamed. C'est reparti pour le second tour de l'élection présidentielle après plusieurs semaines de suspense dans l'attente de la proclamation des résultats globaux définitifs par la Cour constitutionnelle. Cette dernière a livré, selon le journal, la teneur de son arrêt le 30 janvier 2021 sur l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. La Cour constitutionnelle confirme qu'il y aura un second tour qui opposera le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendesa Tareya, Mohamed Bazoum, et le candidat du renouveau démocratique et républicain RDR, Tchenji Maman Ousmane. Le premier a enregistré 1 879 voix, voix soit 39,30% contre son principal challenger qui recueille 812 412 voix soit 16,98%. Ainsi, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 janvier 2021 ouvre, selon le confrère, la voie à la course aux alliances dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 21 février 2021. Et à l'allure où vont les choses, le journal estime qu'une large convergence s'annonce pour Bazou Mohamed qui jouissait dès le premier tour euh, du soutien d'une cinquantaine de partis politiques, distançant son challenger de plus d'un